waaw Muslim Ministries mooy nii ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Touba ànd ceeg les forces de de sécurité donc muy lu am solo tey ci ci Touba ci corniche Daara Jolof c'est Antoine Félix Diome contrôler oto yi di contrôler nit ñi si dugg di contrôler bagage yi di contrôler ay ngànnaay yi nga xam ne suñ ko bàyyee mu dugg mu ngi la ay ñàkk si biir Touba Oui, euh, donc, euh, euh, même maintenant pour le colonel. Donc, de l'île, c'était autant un détachement de la brigade spéciale, Et puis l'importance, on a ñu def ko érigé ko en brigade donc comme l'a dit ici bien le, le colonel le poste de est ici, le prolongement de la RN3 donc moi, mooy jaar ci ça ça Linguère Maintenant, ici, il y a des enjeux économiques aussi, parce qu'il y a un terrain très fréquenté sur la, voie. Donc, il y a aussi des marchés. Le marché de Ngindi, qui est là-bas, également le marché de, l'autre côté. Donc, ce qui, fait que le poste, vraiment, c'est un poste très, très euh, vraiment, c'est un poste important pour la salle. D'ailleurs, on est en train de diriger, de construire une tricage ici en Ngindi va bientôt terminer, qui va permettre d'avoir une meilleure, une meilleure représentation. Et du coup aussi c'est la même chose, c'est un dispositif mixte, un dispositif mobile. D'accord. Et ce, là vous avez aussi le GMI, Amirwa GMI, un élément au commissariat spécial de combat. Avec Tamit, euh, C'est bien comment ça se passe depuis que vous avez commencé Bon, depuis qu'on a commencé euh, l'opération, vraiment ça se passe très bien. Vraiment, on a, comme je l'ai dit tantôt, on a de très bons résultats. On n'a on a aussi euh, on a aucun incident sur les, forces, ni sur les moyens. Donc vraiment, on gère vraiment mieux l'opération.

donc c'est très bien boule fat et abonné boule fat et abonné boule fat et abonné